Euh, ku ne xam na ne euh, son excellence le président de la république day dugal euh, fonds yu mucc ayib ci njàngale mi partenaires yi dañuy jàppale bu baax ci njàngale mi loolu lépp tax na ci biir Covid bi nga xam ne moom lañ dund école bi soxewul ndax résultat yi ku ne gis na ne malgré le fait que Covid bi sonaloon na ñëpp résultat yi amélioré woon nañ ko donc vraiment école bi mu ngi ci lancé bu baax suñu bëggee nag.

bien que nous ne koy pas def yu bari passé na mais opportunité de renforcer capacité équipe parce que l'équipe du équipe secteur bi ministère accompagné par le ministère des finances et le ministère de l'économie ak suñu partenaires euh, société civile partenaires techniques et financiers syndicats parents d'élèves l'air, dañuy avons ñu defandoo diagnostic bi et li ci gëna am solo moy diagnostic boobu bu ñu ko IPE pôle de Dakar institut de planification pour euh, UNESCO moo ñu dimbali parce que ñom tam nañ ko def ci dëkk yu bari ba dëkk yi ñu wër donc dinañ ñu gindi wan ñu naka lañ koy défé pour que ñun ñu mëna jël ay décisions yi nga décisions fondées la. Oui, euh, l'Institut international de planification de l'éducation appuie euh, le ministère de l'Éducation nationale et les ministères en charge de l'éducation nationale dans l'analyse du système éducatif dans son ensemble, donc du préscolaire à l'enseignement supérieur. Euh, et donc c'est un processus d'appui que euh, l'IIPE UNESCO Dakar euh, réalise aujourd'hui. L'objectif c'est finalement d'établir une sorte de photographie à un instant T, donc aujourd'hui, du système éducatif, de l'ensemble du système éducatif. Donc de voir où se situent à la fois les réussites du système, mais aussi les éventuelles difficultés du système pour ensuite, bien sûr, y remédier. C'est un diagnostic du système, exactement. C'est un, euh, comme on le dit souvent, c'est une photographie euh, du système. La démarche qui a été mise en place, la démarche, c'est vraiment une démarche euh, participative, c'est-à-dire que l'objectif, c'est d'impliquer l'ensemble des acteurs du système éducatif. Bien sûr, les ministères, la partie institutionnelle, mais aussi les partenaires techniques et financiers, la, société civile, les syndicats, pour établir un consensus autour de ce, diagnostic euh, du système. Donc que tous les acteurs soient impliqués et que tous les acteurs soient d'accord sur le diagnostic qui va sortir de l'analyse.